jeunes de la FADA, Mataram Je vous souhaite la bienvenue sur votre émission Tous à la FADA. Je suis Abibou Garbo au micro et la technique est assurée par Aboukader Tchambiano. Aujourd'hui, nous allons parler de comment éduquer les jeunes d'aujourd'hui au sein de la famille. Pour parler de l'éducation d'un enfant dans une famille, vraiment, c'est un sujet très très délicat. Chacun y va de son point de vue. Jadis au Niger, la réussite de l'éducation d'un enfant est une question d'honneur qui dépend non seulement de l'appartenance ethnique, culturelle, borana boral mialo dini mais aujourd'hui on constate vraiment que des choses vont dans l'autre sens justement selon un article publié par le studio Kalangu le 26 juin 2020 chez les Hausa du Niger par exemple la femme au foyer a en charge d'éduquer l'enfant fait que le père est à la recherche de quoi les mettre à l'abri des besoins, nourriture, vêtements, éducation scolaire et autres. En zone rurale, par exemple, l'éducation des enfants incombe à toute la communauté. Pour débattre de la question, nous sommes au chef du studio Kalangu avec des jeunes maintenant D'abord nous allons voir l'éducation des jeunes au sein de la famille, comment ça se passe, qu'est-ce qui a changé, pourquoi cette différence, qui doit éduquer l'enfant, avec euh, nos amis jeunes aussi. Et euh, voilà, on va essayer de répondre tous à la fois dans ces 35 minutes. Musique, chronique, rubrique, prose, des témoignages, tout, tout, tout, tout. À Nogara. Mais à l'heure Tora, beaucoup de gens qui ont été en train de se Voilà, ils ne pourraient pas gagner aucun girga, ils ne pourraient pas gagner aussi. Zama, farkasi kon ne geja. Matirma. Aïma Rachida Bizo. Ok. Aïwo, euh, cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes. Aïwo, secrétaire permanente. D'accord. Euh, quant à moi, c'est M. Ibrahim Mansale. Donc, je suis le secrétaire général du Coran, donc le collectif des organisations et les groupements des adeptes nigériens du Coran. Mhm. Et moi, je réponds au nom de Moussa Altine, communément appelé Anan. Je suis l'ancien délégué général de la faculté des sciences juridiques et politiques. Ok, l'université Mouer Mohamed Karnono dans éducation et gocha. Et moi, c'est Biba Bakiré. Je suis euh, SG de l'association RDSO. RDSO, on va voir tout cela euh, dans notre émission. Avant de commencer l'émission, nous allons écouter sur ce sujet un chef de quartier à Dosso, il s'appelle Abdou Garba, qui a comparé un peu comment était l'éducation des jeunes d'avant. À leur temps, hein, il est âgé de 76 ans. Et aujourd'hui, comment ça se passe On l'écoute. Maintenant, wato din furta jai ba funa gonanda da da mo hun kun wani dini On va wato ni babu wadda wani ni ber wadda gonda boko ga jar ni ga tano kadin jare konda sai gina ga ka ko ni murado zan son kuno din sino hankan wodin sino ba bora ko ka beri da ga gaba wando ka hiji wala e fo gine mi hiji ganda se zankal barkantuno iga ba ga bor berandi son kuno din sino kuno bora sine kalangar ka se deno wato wo ba ni sinde badala wallahi ga go do je iga go din ni zaro ga ka guna ay gin no silman kai no fo ay wo kai go lokol bo wato kan ni woni certificate ne o en 61 e il metro haono da humno an convocation samba ay babu se kana isino kala kolay bor hinka aibabu ne fulani n kolo kolo ne kolo kolo so da no i k a ane se m k a adwai kitibi inda y k u z o da adiki kar adiki kar igi bare to i g a ndai aibabu kuzan fo k a n s e gine sogana ina e fono turjante ki goga karo ina lokol dam utotun nyam i sulana se utotun se ngubu mo ka so b e g i dwai kar to za hande hanim ay mene ka m u t o lokol to hun kuno din sino aran ciyo ga hunkuna borfo sin da fondan borfo yi zikar wala asin wallahi sin wallahi ba da ni karmo wallahi di ma hakoi nyango hi jaga fai so wai borai inge no kabaran dundi niki kaka undi gar kan kanan da beri inge borin kinge borin za wai borai ni ka chare isin wacha do ba be di wacha do no ko sin wa chado me dai wai ne wo asiri ba funa butu gumo asini kan dai furta je sai lahani zarmeno gane ai kulka borte ni baba sai kul ni ziga baninga i i hagoi di wane so ma iwo afongo ga hagoi diri amma an gaimo bai kul kan man hagoi di baba wallahi ni gudu izi kan ba kare agin kar in ka ci zamanu wane kar ai gome wala irhan gana alborasi wato zankai gimai ai mil borakul ma zarmsani wala aran kulma me wala biba réaction Qu'est-ce que ça suscite en toi On connaît un quel sourd ou à la maintenant Oui, je suis un peu d'accord avec lui. Okay. Et quand dans un cas de son, on est monté à faux, il y une rupture entre euh, nos, coutumes d'avant et comment les enfants sont éduqués et comment ils réagissent euh, par rapport aux aînés. Comme il l'a dit, avant, il y avait tout le monde qui pouvait éduquer l'enfant de quelqu'un et euh, ça se passait comme ça, alors que maintenant, tu peux pas dire, oh, tel enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, je vais intervenir dedans et lui dire, non, tu n'es pas sur le droit chemin. Donc, il y a vraiment une grande rupture entre ces deux époques, à mon avis. Rachida. irkun no bai mu kan yadin na gwarga da dai sohon wo zamanu kan ra irgo zamani no kan aran boda bai kan har giyan no gonu kan watidin isino ya dinga har tage gaidin mu ikan dingai kan bu wani gidan ir tarbiyara dirga ba mu ir tarbiya mu bori matkan alburani cida il faut que har tage dini ir mu kan dai gidan izena ga irmi izena i hanna san bir kan da gidan har tage mu i hanna ga i dini inga no irga sambu irma dan il faut que les deux soient en adéquation la génération d'avant elle a fait une vie qui était vraiment si on peut le dire meilleure mais celle que nous nous sommes en train de faire aussi elle n'est pas si mauvaise que ça mais il faut que ceux d'avant puissent consacrer du temps à ceux de maintenant afin que les deux puissent se concorder et qu'on puisse aller vers la société que nous, nous voulons donc je pense qu'il est important que dotti gay bumboda ngay mu wati wona imdu irse lokati imdu son zan kai se lokaci zam haibo ba kul karan go dir kai gaguna irgidi kan dotti gay jang lokati no zan kai se ga fahamandi se wati di matkan inin gay bafuna te da ingino go kan da kan sohom mu zan kai son furta gay ngay igogu mutti to eh irmansi eh ay go gangan samir euh, donc, vraiment, nous remercions le studio Kalango pour euh, le choix de cette, thématique. Mm-hmm. évidemment, euh, c'est ça qui est à l'origine de tout. Parce que, religieusement parlant, Allah en créant l'être humain, il a déjà instauré cette sunna de la pédagogie éducative. Dieu, lorsqu'il a voulu créer l'homme, <laughs> il a dit aux anges Je vais créer Al-Khalifa, c'est-à-dire je vais créer un vicaire, un responsable sur terre. Donc en créant Adam, Dieu a déjà donné cette mission à Adam d'être le responsable sur terre. C'est pour dire que ah la question de l'éducation, c'est vraiment une question fondamentale dans la vie de l'homme. Ah Et Dieu a commencé cela à partir de ça, la création de l'être humain. Que ce soit l'homme ou la femme, depuis leur naissance, l'aspect de l'éducation commence. Donc si tu as une femme, c'est depuis la naissance de ton enfant que tu dois veiller à l'éducation. Et c'est l'éducation de l'enfant qui formera le foyer et le foyer formera la société. C'est ainsi. yadinno e euh, kidano zanga birima astekal windora hiraino euh, ga sintinde hayrayn borano birme hanno boramo ga bora kul kulu mudwana fa. alors euh rachida ditnu qu'est-ce que vous, avez constaté comme changement Parce que vous avez dit, voilà, il y a ce qu'il faut euh, garder d'avant et aussi ce qu'on doit amener d'aujourd'hui pour avoir euh, une complémentarité euh, et que les choses marchent dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qui a changé Parlons parlant de ce qui a changé il y kan yãnga de sohon la l'éducation de la rue je dirais plutôt l'éducation de la société parce que la plupart du temps quand, dire l'éducation de la rue on voit on prend des mauvaises choses dans la rue mais les bonnes choses s'acquièrent au sein de la société société a sanda ingai mu iningai kambaka zan tarbiyara okay. Eh, boray ni sonda al boradi rangal ah. oh. bo asane de bor ko bor fo kal bora nyaag fay zam bor ku sta bor fo bor ka so hon ibanga gibi singay bo ke mu agte ir problem beru kanka zama dini bazan ka yadi niga haikul kan zanka te boro woni bon seni sing salangasi aran dimo za bora kan ine mu zanka tarbiya da te talama yit fonda hannara bora dini nga bo bon se a sing salang zanka se yadi nga aran diyan kan zano dini masal berino kanka zam sohon baba dinya ngai kan ge se aran mu di zanka gonda giri hinka amma a gonda telefon yadi zanka gonda giri hinka amma ni mai mine asmanu asmanu bi ba kare se bi kaga kare oh. se ba askar ni chabai fonda kan him gan pour kamu ma halar mu asima zanga kan gwani giri hin kara nasima giri fo ga ma irbo borai zai ha yari ni ga hari bobu yanno gonu masal masal masal ig bagumo kan ka ga furo kan gana son ir tarbiya a sara kamanti wata de wono dama eh, Merci beaucoup Rachida. On va euh, écouter la rubrique rose proposée par les girls du studio Kalangu avant de continuer. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bonsoir amis jeunes, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur chaque rubrique rose. Dans ce numéro avec moi Ruki, nous allons continuer à lutter contre le froid avec certains aliments. Et avec moi Fanta, on s'occupe des lèvres en cette période. Enfin, avec moi Bibi, des astuces pour faciliter la préparation des goûters de nos bouts de choux. Bonsoir les amis de l'espace santé et bien-être. D'aujourd'hui, nous allons voir les aliments à favoriser et ceux à éviter pour lutter contre le froid. D'après les nutritionnistes, il est nécessaire d'avoir une alimentation équilibrée et adaptée en saison froide pour résister aux basses températures. Au menu, quand il fait froid, des soupes, de bouillon et de potage. Autre aliment à favoriser au cours de cette période, c'est les épices. Agrémentez vos plats de curcuma, de cannelle et de gingembre. Ces épices sont vos meilleurs alliés en saison froide car grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires et antivirales, elles créent plus d'activité dans notre organisme et favorisent la circulation sanguine, ce qui va produire de la chaleur. Le riz aussi n'est pas à négliger. Le riz, les pâtes et les céréales complets combattent également les coups de froid car ils diffusent progressivement de l'énergie dans le corps et donc de la chaleur. Le piment permet aussi de légèrement augmenter la température corporelle. Maintenant, quel aliment faut-il éviter en période de froid Quand il fait froid, les amis, il vaut mieux éviter de consommer des salades tous les jours. Les crudités telles que les concombres ou les tomates sont déconseillées car en plus d'être froids, ils sont faciles à digérer. Il faut aussi éviter de manger des sandwichs car ils sont froids, ne contiennent pas suffisamment de nutriments et sont caloriques. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Dans l'espace beauté de ce soir, on continue la série Comment éviter les tracasseries de la saison froide. Dans le numéro précédent de la rubrique rose, nous avons parlé de comment prendre soin de ses mains, de ses pieds et même de ses cheveux. Aujourd'hui, nous allons voir comment soulager les gerçures des lèvres avec des ingrédients à portée de main. Recette numéro 1. Faire chauffer un peu d'huile d'olive, laisser tiédir et plonger un petit morceau de coton. Laissez-le s'imbiber et posez-le sur vos lèvres pendant 3 à 5 minutes, puis retirez. Recette numéro 2, le miel. C'est un excellent hydratant pour les lèvres. Appliquez tout simplement un peu de miel sur vos lèvres pendant quelques minutes. Recette numéro 3. Ajoutez une cuillère à café de jus de citron dans deux cuillères à soupe de yaourt. Ceci est un excellent masque pour vos lèvres. Vous pouvez aussi préparer une baume à lèvres fait maison. Pour cela, faites fondre trois cuillères à soupe de beurre de karité pur au bain-marie en ajoutant quelques clous de girofle. Retirez les clous de girofle et ajoutez une cuillère à soupe d'hibiscus ou bissap à la préparation. Bien remuez le tout et laissez reposer quelques minutes au réfrigérateur. Et vous avez votre rouge à lèvres maison. On va continuer à proposer euh, d'autres bons plans aux jeunes mamans pour faciliter euh, la préparation de des pour les plus jeunes, pour les bouts de choux. Proposer des desserts chocolatés moins souvent, ils seront d'autant plus appréciés. Donc pas besoin de tartiner le pain chaque jour avec du chocolat qui est déjà super sucré et super gras. Choisissez un chocolat de qualité. Vraiment, misez sur la qualité et profitez ainsi de ses apports en minéraux, fer, calcium, phosphore, zinc, manganèse. Les gâteaux maison, et oui, le fait maison est toujours meilleur pour la santé. Si vous suivez les bons conseils, le goûter que vous aurez préparé vous reviendront bien moins cher. Sur une même base, il est facile de varier les plaisirs. Tous ces gâteaux se déclinent nature, au citron, à l'orange, au raisin, marbré ou aux fruits. Si vous êtes plus experte et disposez de plus de temps, lorsque vous vous êtes lancé dans la confection des goûters, prévoyez des quantités plus importantes et congélez-les pour les 15 jours à venir, pourquoi pas. Le pain, on peut l'accompagner de beurre, de margarine ou de confiture. On peut aussi faire des galettes, des beignets faits maison ou encore des morceaux de fromage de soja frit, awara en Houssa. Vous pouvez également prévoir des yaourts à boire fait maison également. La boisson pour un goûter équilibré pour les corps, pourquoi pas des jus de bissap, des jus de citron pour les enfants. On évite les goûters industriels trop sucrés et trop gras. Pour le côté pratique, prévoyez une boîte à goûter qui évite que les gâteaux s'émiettent au milieu des cahiers euh, ou que les fruits répandent leur jus sur les livres de lecture. En bonus, c'est tout pour aujourd'hui, chers parents, chers amis euh, jeunes de la rubrique rose. On se dit bon début de semaine à toutes. Bye bye! xale bi sama xol yaa ci yeah te su ma la gisu yeyeye te su ma la gisu C'était là la rubrique Rosa du studio Kalangu. Euh, nous sommes toujours au siège du studio Kalangu. Aujourd'hui, Irsig Salankala, Ankangati, Zankaiwana, Birima, bon, Almia, Laura, Hunkun, Zankai, maintenant, et Birima, Gonagteda. Wene, bon, noir, Gonagsel, and de moment, Ritekangana, Ambori, Inna, Furtaje Bournier, Indeir Muduga, Salangasano, Wabatu. Historiquement, dans nos sociétés africaines, les parents ont tendance à privilégier plus l'éducation des garçons au détriment des éducations des filles wani irin nyamta ga manga mo parce que ina asigite ya dimo ne dimo kan iga che fo bambanci bambanci ngono igna na imal bore biri bori cette tendance euh, prend une autre tournure de nos jours euh, le les chefs de famille hunkuna biba ni wondi yonga maino himga no biri mai hanno C'est euh, très important selon moi de, de bien éduquer aussi bien la fille que le garçon parce que oui même la fille quand elle va sortir après c'est pour aller dans un autre foyer il y a l'image de la famille qu'elle va apporter ah, quand elle va aller dans un dans son foyer qu'elle va faire des choses qui ne sont pas bien ah boro ya famille c'est la réputation en soi de la famille qui sera en jeu donc pour moi, c'est très important que les parents se focalisent sur l'éducation aussi bien de la jeune fille que du jeune garçon. Ok. Anan, je pense que ça, là, c'est vraiment un concept hypocrite qui est développé par notre société. Pourquoi je le dis Parce que, imaginez, nous, on a eu à faire le constat depuis qu'on était euh, jeune, depuis qu'on était enfant, euh, si je peux le dire, parce qu'on est encore, hein. on, est encore jeune. Jeunes. on est encore jeune. donc c'est pourquoi j'ai précisé, <laughs> c'est pourquoi j'ai tenu à préciser que depuis qu'on était enfant. Ok, d'accord. C'est vrai, l'homme, c'est la relève de la famille. Les hommes construisent les familles et ils maintiennent les familles pour que les familles ne disparaissent pas, alors que la jeune fille, elle part ailleurs pour aider à la construction d'une autre famille. Voilà le concept développé par la société. Là, je suis d'accord, mais je pense que les idées doivent être bien éduquées. Mais on laisse la liberté et la latitude aux garçons d'aller faire de n'importe quoi ailleurs. Donc là, je pense que c'est de l'hypocrisie. Il ne faudrait pas s'accentuer plus sur nous, la jeune fille. Je suis d'accord, qu'à certains égards, la fille est fragile. On doit beaucoup la protéger, on doit plus euh, l'éduquer, mais ce n'est pas non plus une raison de dire que on va permettre aux jeunes garçons de faire la même chose qui est interdite à la fille même les garçons, peut exposer l'image de la famille ailleurs. Comme l'a dit un écrivain, je pense, il dit que après la santé et le pain, l'éducation constitue le premier besoin d'un peuple. Merci beaucoup. Nico okay. euh, euh Oustaz, il <laughs> est Alboro, Aseno, ina Window, no, Mengan, Borano, ga Window, ga Icharbanda. Daniel Son, Dioga, qui doit vraiment s'occuper de l'éducation des enfants. Pour cet aspect là, c'est que c'est un aspect très important qu'on pourrait négliger. Parce que si vous voyez le prophète insister sur un aspect, c'est que cet aspect est très important. C'est ainsi qu'il appelle ses, ses compagnons, il leur donne des hadiths je me rappelle, il y a un des hadiths dans lequel il dit les femmes sont une particularité, prenez bien soin d'elles. Il est arrivé même à dire aux hommes Je vous garantis le paradis pour tous ceux qui arrivent à éduquer trois de ses filles jusqu'à ce qu'elles arrivent dans leur foyer. Le prophète, il a agi en tant que pédagogue. C'est parce qu'il constate que les gens ont tendance à négliger, comme vous l'avez dit, cette éducation, l'éducation de la jeune fille. C'est pour dire que rien n'est à négliger dans l'éducation. Qu'il soit un garçon comme une fille, vous devez les éduquer mieux, si vous éduquez bien trois jeunes filles, lui, le prophète, il nous garantit le paradis. Donc, c'est comme si c'est une motion d'encouragement. Donc, je reviens par rapport à l'aspect du foyer. Voilà. Parce que c'est là la base. C'est là la base. Lors de la réalisation du foyer, le mariage, je veux dire, il est obligé, l'homme, déjà de bien choisir la femme. Ça, c'est ce que l'islam lui dit. Il doit bien choisir la femme. Pourquoi Pour la conséquence de la suite. Il doit prendre une mère éducatrice. Et non pas une femme, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui va faire le buzz sur les réseaux sociaux. Il doit prendre une femme qui va se consacrer à l'éducation de ses enfants. Ça, c'est son premier rôle. C'est après que le reste viendra. Parce que l'homme, il doit aller chercher de quoi nourrir toute la femme. Tandis que la femme, elle peut aller comme n'est pas aller. Ce n'est pas une obligation sur elle de nourrir tout le monde. Mais l'homme, lui, il a l'obligation de nourrir tout le monde. Merci Amir. Voilà, je reviens à toi, Rachida, Rachida Sérieusement, la femme est fragile à Je vais rebondir sur l'autre question là. Qui doit réellement éduquer l'enfant Vous savez, euh, Zank Tarbi Bima, hmm. Am Tegburi, Igba Senya Hanno. C'est vrai, Igba ne Hanno. Kan À Biramburi. Amma, Irar Bombata Kirgogti.

irsigino eh, ise hein, oui on est en débat irsigzan kai alhakaino ise je veux je veux je veux finir non j'ai pas fini s'il vous plaît zan kai isigi alhakaino ise il faut se kairne isigi alhakaino ise le côté coercitif sanda babu ingino gwanda sanda gobo kanga kar kanga kar c'est lui qui sanctionne quoi nya ingino ga ingino ga kuve gumo har kadi tanke isi charbani kulu zanka famiyora education aksara a ga man da ir son ka kara irgu matkan yango agihim ginga bonno zanka education wasi babo mu mu kai zan kai tarbiya guna mu bori zama duban tiyadi ne wallahi zan kadi ne a ste zan ka hannu societa ma gasi oh ifon fama di kan godi ka wote oh ikulu gondin ga wani masuliya yin ne responsibility mm. me hanka ifamun sonda c'est un peu clair si on comprend responsabilité ni gona adina halkara maino des responsabilité parce que c'est lui le chef du foyer il doit prendre de responsabilité il doit prendre même le fait qu'il choisisse une bonne mère là mais bonne mère bon bonne mère ça l'islam oh. fait la promotion de la bonne maman c'est-à-dire si les hommes prennent n'est-ce pas des bonnes femmes ou qu'ils mettent des critères de choisir des bonnes femmes, est-ce qu'il y aura des mauvaises femmes Naturellement, il n'y aura pas. Non, non. Quand on veut parler d'éducation, on dit de choisir la femme éduquée pour se marier. Mais la femme là, elle est éduquée où À la maison. À la maison, avec une bonne elle, maman. Elle, une elle bonne doit maman. être éduquée où Avec une bonne maman. Mais est-ce que Borakulgudu avec... Borakulgudu, si on dit que une bonne femme, Borakulgudu. Borakulgudu. Eh, eh, ah. eh, Borakulyanga, bonne femme qu'on Et surtout, je voudrais insister. Aïk Babou Bora, ah. surtout, aime insister. Vous ne connaissez pas, il y a beaucoup de bonnes femmes. Ouais. Oui. Mais, mais il y a. tout le monde. Voilà. on va Même faut. tout le monde, dans l'optique de. Il faut choisir des bonnes femmes et celles qui ne sont pas bonnes, on les laisse et elles vont se recadrer. Vu que l'éducation commence à la maison. Si elles ne sont pas, éduquées à la, maison, la société va contribuer à dépraver encore plus. Elle, va finir, oui. si elles ne sont pas éduquées à la maison, dès mhm. la base, par la mère et le père, Comment est-ce que après les gens vont aller et se dire oh il faut que je trouve une bonne femme et toutes les femmes tout le monde va trouver une bonne femme. Là-bas c'est à Je vais te donner une question parallèle. Mm, mm, non non non. Pour te répondre. Est-ce qu'il y a du boulot dans ce pays? Oui. Oui il y a du boulot parce qu'il y a des gens qui le trouvent. Oui. C'est ça. Et ils le cherchent. Oui. C'est la même chose. Il y a des bonnes femmes. Est-ce qu'il y a du boulot pour tout le monde Oui, est-ce qu'il y a du boulot pour tout le monde C'est ça la question. Ah oh. mais c'est l'angle tonton mais il y a des tonton mais voilà. Voilà. Son ayo zanga c'est que j'aimerais dire en somme quoi mm. par rapport euh, au débat que je viens d'observer tout à l'heure. Moi, je limiterai ça à deux mots, disons. D'abord, c'est la disparition de la maman africaine dans nos sociétés, qui n'est rien d'autre que la résultante directe de l'européanisation, de l'occidentalisation de nos sociétés. Parce que tout à l'heure, Biba, dans sa prise, elle a dit que nos coutumes, mais imaginez, nos sociétés, on dirait qu'on marche sur nos têtes, quoi. C'est que nos sociétés n'ont plus de directives. On ne sait pas où on va. Il n'y a pas la culture, il n'y a pas les, nos coutumes qui sont respectées. On ne sait pas où on est dans la religion, on ne sait pas où on est. C'est qu'on on n'arrive même pas à nous guider, quoi. Tantôt, on se réclame des occidentaux, on s'identifie aux cultures occidentale, à l'air droit, on dit qu'on réclame, on réclame. Tantôt, on dit qu'on est des musulmans et que l'islam a dit. Et on revient encore pour parachuter sur nos coutumes alors qu'on ne sait rien de nos coutumes. Donc finalement, on ne sait pas sur quelle base on est. Alors que pour arriver à une destination, il faut savoir d'où on a quitté, on est où, on se situe et où est-ce qu'on va. Amis de la FADA, nous sommes au siège du studio Kalangu, nous sommes en train de parler de la thématique comment éduquer des jeunes d'aujourd'hui au sein de la famille, au sein de la société. Oui, ne bon nango maïr go gisalandini bo kusina kelase bo kusina kelase. Irundu tension est calmée kaina, on va écouter un peu la musique. C'est quelle musique vous allez nous proposer et après, après on va revenir dans la fada. Biba. Il faut nous calmer on a kine musique. Kutaru mutsaro ka musani zar saman kasa kasasan da babu yaki kasasan da basuroko masu arziki da kansu. Ok, d'accord.

des femmes NIA et après on revient à la FADA. Maintenant, on cherche des solutions. Solution de Mirum Sengi, <laughs> Mirum Mirum Voilà. C'est ça aussi la FADA. Biba, je te donne la parole. Comment réussir vraiment l'éducation des jeunes aujourd'hui pour éviter ce que les gens eh, prévoyaient Voilà. Borengo dika une catastrophe pono go kajini. Zambano no sigiti. Nisi bora kar bora nyama ndeninga. Nisi bora donton bora à futu bora ko ging taba hanka dinka din sala bora si mine mai ginna sin gune tu vois des choses comme ça tu vois un peu ni gitari man cha no ibabi ci de ci mo des choses comme ça matene te kan ngin musto no din wal mo bando no kante bandir ma corriger biba ni go hanka OK donc déjà je pense qu'on l'a tous dit ici il faudrait que Irmier euh, donne la méga et on dedans, ce qu'on peut adapter en fait à notre réalité d'aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas vraiment tout appliquer de ce qui a été. Donc l'important serait qu'on retourne en arrière, qu'on voit comment les gens d'avant fonctionnaient en société, qu'on prenne dans ce que eux ils faisaient et qu'on essaie de l'adapter et de le concilier aux réalités de notre société actuelle. Ça c'est un. Deux, il faudrait que euh, l'éducation des enfants soit faite à la maison, mais il faut que ce soit par le père et par la mère. La mère seule ne peut pas tout faire. Il faudrait qu'il y ait à une entente entre ces deux-là. Le troisième, c'est qu'il faudrait que les parents soient plus présents dans la vie de leurs enfants. Voilà la meilleure euh, manière de procéder. Donc il y a vraiment la discussion, la confiance et puis faire en sorte que Kocham t'es à l'aise pour pouvoir chaque fois venir te poser des questions que tu pouvais discuter et tout. Voilà on, entend aussi des choses pertinentes aussi. Voilà, on a Ah, là, oh, il euh. Mais il y a mail voilà, elle a dit l'essentiel quoi. Ah, a Mais voilà, han kebem quoi. ne matkan bibki sous le même angle certains parents, je m'excuse vraiment du terme, doivent cesser de mentir aux enfants quoi. Parce qu'il y a un me ka stari ka stari da a gin di hayi akoy ga kisa din da to yari no ka modago man evenement din gugora bungora no isi dare to luk chedira de a ago ha hayyan wal ago di e in contradiction quoi entre leur façon de faire et leur dire kulu ka ko telakal donc du coup c'est là que euh, le manque de sérieux a commencé dans la vie euh, de la femme et je vais dire encore un aspect qui est très important c'est que les gens doivent comprendre que l'éducation ne se limite pas à la parole merci beaucoup voilà ni gana kan ni tan wala abu sa to ay go an ganisa wajin wo hayo irin su lokaci sambu oh, irin su lokaci sambu ha solution bureau oh. d'abord je commence par l'état mhm. c'est lui qui est le garant de toute l'éducation ok dans le système éducatif, il y a beaucoup de choses à corriger pour amener l'enfant au moins à respecter ses parents. C'est très important. Le respect des parents et d'autres valeurs. École Mboy y insister. Bon. Pourquoi Pour que quand l'enfant revient à la maison, qu'il puisse être prêt, disposé à accepter tout ce que les parents lui diront. Pour qu'il comprenne la valeur du père. Je me rappelle bien de ce que euh, Angela Merkel disait dans son service par rapport aux enseignants les, autres fonctions, vous voulez augmentation des salaires, on ne peut pas vous payer mieux que ceux qui vous forment, les enseignants, en parlant des enseignants. Donc on ne peut pas éduquer l'enfant et négliger ses parents dans l'éducation. Tant que l'enfant n'est pas recadré par rapport à l'importance des parents, asté. Deuxième chose, c'est l'enseignement de Dieu. Après, l'État intervient avec la police et les autres structures. Les deux niveaux-là, il faut que l'État les reconstitue. L'enseignement de Dieu et l'enseignement du respect des parents et ensuite l'enseignement des ordres de l'État et des structures. Donc c'est très Pour On Ne pas être des hors-la loi. Voilà. Euh, Rachida. Après, on va appeler Olivier pour la chronique. Maintenant, on veut de toi vraiment euh, un résumé parce qu'il y a des à coucher. y'i himgite tontonel shi hankan bore yau manci kangana wallahi zan kai biri ma yamne tubarikalla masha Allah aga gumo aimci hankan imanci zama ikunnu okay. sannan kan ici vraiment saniyan no kan gonda man halbanti maso amma giye ka bibi sannoba ai giye ka bibi sannoba zama gibe mi fahaman dino kan agi himanu nyangai da babai i occupation bobai kulkan gisera imadu lokaci lokaci kan ra iga nanai dan inga dingai iza iga mara banta an wono gi hima am zanka don dangani yang te nyanga respecti. baba Eid nyanga de baba Inuga, zanka don dangani matkan da fatta tarai ak te ga respecti yadin ga fu tarbiya inga no irga himga yega ka go goro ga gungidi matkan irgo tarbiya kan zamano kara irgo zankai igon da telefon igon tele igon da radio hayaydi ni kulno ise kan reponso kan ni da ka ha wa kan ni mani chase dini ki fami gan da koi da koi aga hantu mun gabon sai telefono go aga cheki aga di aga ma hankan ya ga aga izan zan kan yan ai dingai im ye ga kaga goro ga zan ka tarbiya aga dar la societe mu bayni izo mai na da koi école mu bai hankan na gite waati din tanti yan no gono wal nya yan no gono kan question fo yan kan bara sin dinga baba ha ak bora ha nana dini ngay no giga mara bora chasi to nana yi son ir tanta yi sin nana yi wadini nyan no gi ga kreye inga babu di kafu borkul mis kwanta santre waza borkul mis kwanta santre te labo di kafu importable yi te la dan de côté im fa kare de ko cha hunkuna ifo no ni te école ifo no ahimada sumi koida kan gihima ilimi ni gani mati ara faham wadi ni kun no go solution gaira kan irgihim ga adopte dirga ba irzan kay tarbiya mu Merci eh, Rachida. Eh, amis gens de la FADA, c'est ainsi qu'on va clôturer notre émission. Mais avant de finir, nous allons appeler Olivier pour sa chronique et on se dit eh, au revoir. Les amis de la FADA, cette semaine sur les réseaux sociaux, la visite de l'ambassadeur de France au Niger à l'université Abdoumouni de Niamey et les actualités de la COP27 ont dominé nos fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Et nous, dans la chronique de ce soir, nous allons parler d'un fait d'actualité qui a quand même un tout petit peu été oublié des débats des internautes nigériens. Eh bien, il s'agit de la Coupe du Monde au Qatar. Dans différents pays, la Coupe du Monde est un moment exceptionnel pour se faire du business. Si les gagnants sont les entreprises des pays organisateurs, les marques de maillots de sport, les diffuseurs télé aussi. Il faut noter aussi qu'à côté, il y a aussi de petits gagnants, des gagnants qui sont souvent les détenteurs de salles de diffusion du sport au quartier, les vendeurs ambulants de maillots ou de posters dans le vieux temps. Des responsables de fan zone ou des passionnés de foot peuvent venir pour voir et se voir également afin de regarder ensemble les matchs de foot, un moment convivial au cours duquel les uns et les autres partagent de bonnes ambiances. Ces petits commerces autour de la compétition mondiale de foot se passent souvent loin du pays organisateur et sont des initiatives de jeunes. L'une des raisons pour lesquelles il faut plus aimer le foot, c'est sa capacité à créer des gains malgré la distance. Pour un entrepreneur comme moi, c'est tout bénef. Amis auditrices et auditeurs, toi qui nous écoutes ce soir, Comment comptes-tu tirer profit de cette Coupe du Monde au Qatar Rappelle-toi que chaque occasion de but est une occasion de se faire de l'argent, même si on n'est pas Qatari ou athlète. C'est la fin de la chronique de ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique et comme toujours, de la paix, de la lumière dans vos vies, dans vos cœurs. Prenez soin de vous. Bye bye. C'était là la chronique d'Olivier ami de la fada merci beaucoup o fondo goydu surod ko karo kara gona gida gi studio kalangu sigira hangan on kuna ir neo studio kala bu bonir fu gay ya way burnye ka gutur se furta jair man kala on kun zan kai furta jay wani bir ma bon matana gona ciya da mi alera, ifo ni hinga te kan na murado mate barkalla mo iddu tu yambo bo indir ya way inir bongai ka kulbe inir famandi kan zan ko ya cin na hingate haira ya cin na hingate ya cin no borakul hingate kan na boraim gorkera imwa merci beaucoup euh, on était avec Biba avec Rashida, avec Anan avec euh, Emir vraiment merci beaucoup et Chambiano aussi a assuré la technique comme pas possible